l'adjoint au préfet département de Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée, mais aussi à l'ensemble des élèves ici présents. C'est douloureux, mais Dieu en a décidé ainsi. en tant que croyants, nous ne pouvons que accepter la décision divine. Et je ne vais pas être trop long, puisque l'affaire est en justice. On va laisser l'affaire suivre son cours normal. C'est le mot que je voudrais placer. En recevant avec satisfaction cette mémorandum, c'est quelques mots que je voudrais placer. Et encore une fois, encourager la famille d'Ibrahim Khan, mais aussi ses camarades. Comme toujours, hein, j'appelle au calme aux élèves, mais aussi à l'ensemble des jeunes sénégalais. Mais aussi, je leur rappelle que la mission de l'État, euh, parmi ces missions de l'État, il y a ce qu'on appelle la protection des personnes et des biens, qui constitue une des préoccupations premières du gouvernement. Et l'État ne laissera jamais faire. Donc je pense que nous continuerons à veiller à la protection des populations, mais surtout des biens. Donc je pense que ce qui se passe, on l'avait tous constaté, c'est douloureux, c'est regrettable. Mais puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affaire est en cours, on laisse l'affaire suivre son cours normal. vous êtes euh, l'autorité, on demande que l'insécurité est dans la banlieue aujourd'hui. Bon, sur ce point, je préfère, puisqu'on a, on a déjà pris des mesures dans ce sens, et très prochainement, vous verrez des améliorations dans ce sens. C'est ce que je voudrais dire. waaw tout d'abord maa ngi tudd moo Gueye l'adjoint au préfet département de Guédiawaye ngeen permettre ma d'abord ba ma may présenté wu may may présenté samay condoléances les plus attestées à la famille de Ibrahima Kane d'abord mais aussi ñëpp ñi nga xam si ay xaritam lan te mbokkoon ñoom école di naqarlu li xew mais puisque ñu ñëpp ay croyants lan jàpp na ni suñu borom lu mu dogal rek loolu moo am donc di ko naqaru bu baax a baax waaw comme toujours comme ni nga ko waxee sànq si français bi puisque affaire bi mi ngi mi ngi si enquête nan bàyyi justice def li war a def léegi li si des ñun ñëpp danga ko gisandoo incha allah rabbi bi au-delà de tout aussi maa ngi ñaan xale yi ñu calmé wu parce que histoire wala bruit bu bari fajul lii puisque enquête mi ngi si yoon danga ko bàyyi yoon def ko li war a def après rek li si jël li si jël danga def incha allah rabbi waaw comme ni ma ko waxee tout à l'heure rek mosuñoo bàyyi suñu tànk si loolu te lépp lu nga xam ne daan ko def pour protéger askan wi ak seen alal den kon na di ko def ba tax na fan yi ñëw rek dangeen gis ay mesures am solo yu ñu si jël ba tax na ñu ngi leen di ñaax encore une fois ne état bi dafay nekk pour protéger leen donc yu mel nii bu ko amee mënul lu du ko ñaawlu mais aussi daan jël suñu devant encore une fois merci